La machine souhaite une fois de plus euh, au vieux père. Saïkoloko, la bienvenue, mon frère. Comment tu vas Merci, merci, merci. Dis-moi que tu pètes la forme. Ah oui, en forme. Ah, comment, comment, je peux être à côté de toi et je peux pas être en forme oh, L'histoire de ce qu'il a fait. Vous avez fait l'histoire. Frédéric Péchaud l'a réalisé récemment. Mhm. Alors aujourd'hui, nous allons parler de vos débuts à nos jours. Vous avez commencé par quoi Parlons des sons qui ont cartonné, qui vous ont montré aux yeux du monde depuis Massacre jusqu'à aujourd'hui. <laughs> ok. Donc le premier son que je dirais d'abord qui nous a vraiment fait lâcher, c'était euh, Monsieur le Président. Monsieur le Président On a chanté. Ah, ça fait longtemps. Ouais, mais c'est depuis. Monsieur le Président À qui ai-je l'honneur ah, C'était en quelle année 93. 93. Avant même les premières élections, quoi. Vous, vous étiez là avant la démocratie. <laughs> avant la conférence nationale. <laughs> Donc 93, les gens partaient, ils faisaient la politique, vous, vous faisiez la musique. Massacreur était un groupe formé d'amis d'enfance qui ne sont plus ici en fait. Ah, L'un d'eux est parti, qui n'était pas nigérien. En oh. fait, il n'y avait que moi et Predator qui un nigériens dedans. Donc il était camerounais entier, il est reparti. Maria était canadienne là. Donc là, c'est comme ça que le groupe s'est disloqué. Et, toi-même, tu étais à un moment donné retrouvé aux États-Unis, c'est ça oui, oui, oui, Et vous avez continué le rap là-bas aux États-Unis Ça, c'est bien après Massacreur, hein. ça, c'est après ah aussi Newport. Post. Parce qu'après après... Massacreur, il y a eu aussi Canyon Post. y a eu la fusion des deux groupes toi toi ouais, ouais, bien sûr. Et c'est ce Et après, Wassika est parti avec, avec, Wangari. Donc ça a donné Waswang. Et ça, c'est quand nous, on était partis. Bien sûr. C'était avec Wangari, c'est passé quand nous, on était partis. Vous étiez déjà aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Là-bas, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez continué à rappeler vous avez... là c'était, comme on était parti pour les études. On est... Franchement, on va pas, il faut pas se mentir. La vie aux États-Unis, elle n'est pas facile. Elle n'est pas du tout facile. Faut pas vendre du rêve aux jeunes, il ne faut pas vendre du rêve aux gens. C'est irréalisable c'est vrai de pouvoir se réaliser là-bas. Mais des fois, carton de raconter. Donc ça, il faut s'attendre à ça. Donc avec ça, c'est pas, pas très facile de pouvoir continuer à rapper tout le temps. Mais le flow était toujours là. Donc la, première connexion que j'ai fait, c'était avec euh, un gars qui s'appelle Supreme. Il avait un label qui s'appelait Il Fanatic. Donc on a, fait, on a fait des super sons là-bas. Je crois qu'on a le à avoir 16, 16 sons avec lui, un vieux son. Mais qui ont été faits là-bas et tout ça. Et ensuite, il y avait un, label avec lequel on avait essayé de bosser, mais vraiment, on n'était pas dans les mêmes idéologies. C'était trop, trop sur des trucs de tuerie de tous les jours, des gangsters, des, des conneries comme ça. Qu'on ne peut pas, on peut pas forcément rappeler ce que tu vis pas. Donc c'est très compliqué faire semblant. En tout cas, c'est pas votre réalité. tu es revenu à la réalité à un moment donné, je ne sais pas combien d'années passées aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, j'ai fait, j'ai, 20 ans, ans, hein, ans, Après donc, euh, après la vingtaine d'années, tu es revenu au bled et tu as retrouvé aussi quelques frères de toi qui ont aussi évolué certainement, euh, n'est-ce pas, à, l'international. Entre autres, Armstrong. Armstrong qui aujourd'hui on appelle le Capo. Le Capo. Et Capo aujourd'hui, et vous avez constitué le cartel. c'est quoi le cartel avec Chichiko aussi. Le cartel a été constitué en Caroline du Nord avec Capo et Jaff. Ok, ah, c'est depuis Caroline du Nord Ok. dans le studio de Jaff. le Capitaine de Jaff. Captain Jaff. Parce qu'on s'était retrouvé comme ça, on est venu le voir et puis on avait enregistré un son. On avait fait un remix de Je représente, représente toute la famille. Il y a un vieux son. je, représente tous les possibles de la ville. Je représente Yo, WNP. Je représente Niamey et tous ces quartiers. <laughs> Donc on avait, fait, un remix de ce son-là et puis on était allé chez Jaff et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va appeler cette coalition, ce, cette symbole de retrouvailles là On appelait ça cartel parce qu'on s'est dit que avec Cartel, même s'il y a d'autres groupes qui veulent adhérer, ça donne euh, un champ, ça donne un grand champ pour tout le monde, une grande famille, pas un cartel. Quoi, le hip-hop médiélien à mon extension. Exact. Donc après ça, on est revenu au Bled avec Ams et avec Capo. Et il y a Cisco aussi, qui est mon petit frère qui est dans le show aussi, qu'on a, a, intégré dans le groupe aussi. Appelé aujourd'hui Tético. Ouais, Tético, oui. c'est ça, c'est ça, Donc vous avez fondé mm. le cartel. Exactement. Un Bomba. Oui, ah, on a, on, a, un album cartel qui est sorti euh, l'année passée. Donc en termes d'album pour le cartel, il y a un album qui est là, mhm. qui est disponible sur YouTube. Vous avez une, page Facebook cartel euh, En ce moment, on a, on a une page Facebook cartel, mais qui a des problèmes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé. L'underground nous a rendu tellement ignorants de ce, de ce côté communication, exposition, parce que nous, on est des vieux loups. On fait vraiment ça parce qu'on aime ça. Mais Freeway, Prod, qui part de cartel, qui fait partie de cartel. Freeway Freeway Prod, 2-2-7, ah. si vous montez, 2-2-7, Freeway Prod. On euh, Il y a tous les sons de café parce que c'est Free qui, qui, eh, eh, qui, seulement. Et, YouTube, comment faire pour. Euh, vous montez sur le site de Freeway Prod parce qu'on bosse beaucoup, c'est le label avec lequel on travaille en ce moment. Donc tout, tout, tout en commun est sur son truc aussi parce que c'est une coalition, il faut s'entraider. Nous sommes à la fin. On va parler de vos projets projet. le Loco, album solo bientôt. Il y aura l'album qui va sortir, on espère, d'ici quand même mars, quoi, avec toutes Donc, les bref, la mixtape est disponible, l'album bientôt. Les nouveaux, les anciens, et un son que j'ai fait aussi pour mon père qui est décédé l'année passée, mais rest in peace. Nos condoléances. Voilà, quoi. qui a toujours été là aussi pour toi. Toujours. L'artiste s'exprime, ladies and gentlemen. Et... Euh, la vie est dure, la vie n'est pas facile. La vie, elle est facile nulle part. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit euh, en France, que ce soit en Chine, que ce soit au Niger. Je vous assure que la vie, elle est facile nulle part. Ne laissez pas les gens vous mentir. Le truc, c'est que pour arriver, pour arriver à ce qu'on veut vraiment, il faut se battre. Ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 40 ans, mais il faut jamais se décourager. Il faut continuer à se battre. Ensemble, on peut changer tout. Si on arrête de rêver, si on arrête de penser qu'un jour les choses sont, sont faisables, eh bien tout s'arrête. Moi, c'est le message que je veux donner à, mes frères nigériens, à mes sœurs nigériennes. Le combat continue. Ensemble, on pourra tout faire changer. Que ce soit dans le rap, que ce soit dans la politique, que ce soit dans, le, dans, dans, everything, dans tout ce qui concerne cette vie où on se lève tous les jours. Et le plus important, ne pas oublier de remercier Dieu pour tout ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Donc on peut finir avec euh, cette euh, citation d'un de nos aînés qui n'est plus avec nous. Le système du monde est complexe. um Corbeiro